Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale Femmes du studio Kalangu. En cette journée dédiée à la femme nigérienne, nous vous proposons de découvrir le travail des femmes du studio Kalangu qui vous propose des contenus informatifs et éducatifs en continu depuis 2016. C'est aussi le premier média africain certifié selon les standards de la Journalism Trust Initiative, un label qui favorise la production d'informations en respectant les méthodes professionnelles et les règles éthiques du journalisme. Elles sont au total 29 femmes à travailler à tous les niveaux au sein de ces médias. Et aujourd'hui, nous accueillons quelques-unes d'entre elles pour nous parler de leur quotidien, leur rapport pour la bonne marche de la boîte. Vous entendez parler de ces médias, n'est-ce pas, chers auditeurs Eh bien, aujourd'hui, vous en saurez plus. Fanta Chamsou à la présentation. Studio Chers auditeurs et auditrices, cette émission se passe dans l'enceinte même du studio Kalango à Niamey et nous sommes en compagnie de Ramatou Suleiman Moussa. Elle est la chargée des ressources humaines du studio Kalongo. Nous accueillons aussi sur ces plateaux Zainab Sadou Ibrahim, elle est logisticienne du studio Kalango. Rayla Toussoumana est aussi avec nous. Rayla, vous êtes la rédactrice en chef adjointe. Comment vous allez Ça se passe bien le boulot Et à côté d'elle, il y a Rukayoto Abdurrahman, journaliste, reporter et présentatrice du journal Ruki. Welcome, comment tu vas Ça va, super. Nous avons aussi sur ce plateau Amino Tousseini, la seule technicienne femme du studio Kalangu. Et enfin, nous avons la représentante nationale de la Fondation Hirondelle au Niger, Madame Karine Diskevitz. Salut Karine. Salut Fanta. Ça se passe bien Très bien, merci. Super. Alors la première question, elle est pour vous, Karine. Quel est le statut du studio Kalangu alors, le studio Kalangu, c'est un projet qui est porté par la Fondation Hirondelle, une ONG suisse basée à Lausanne, qui promeut euh, l'accès à l'information pour, euh, pour tous. Et Karine, on parle aujourd'hui du travail des femmes au, sein du studio Kalangu. On ne va pas vous laisser partir sans nous dire à quoi consiste votre boulot en tant que représentante du, de la Fondation Hirondelle ici au Niger. Alors, en tant que représentante, euh, mes fonctions, c'est euh, d'abord de trouver des financements pour faire euh, tourner Studio Kalangu, euh, de rédiger des rapports pour ceux qui nous financent et puis pour le siège, pour maintenir de relations avec les institutions au Niger et nos partenaires techniques et financiers. Et puis voilà, je suis la responsable des ressources, des ressources humaines et financières de Studio Kalangu. Merci Karine, j'espère que nos auditeurs ne feront plus de confusion entre le studio Kalangu et un simple studio d'enregistrement. Merci Fanta. Je le disais tantôt, nous avons aussi sur ce plateau Raila Toussoumana. Raila, c'est la rédactrice en chef adjointe du studio Kalangu. Raila, dites-nous comment est structurée la rédaction du studio Kalangu euh, Bonjour combien de journalistes à travailler au sein de ces médias Voilà, donc euh, à la rédaction, euh, nous sommes environ 50 journalistes. Et euh, ces 50 journalistes et techniciens, disons. Et ces journalistes sont euh, répartis dans des départements que nous appelons ici desk. Il y a le desk jeune, le desk euh, des femmes, le desk Hausa, le desk Zarma, le desk Fulfulde, le desk Tamashek. Et il y a aussi un desk pour le numérique. Donc, euh, nous travaillons tous ensemble, on, se complète. Euh, voilà, en gros. Mais vous couvrez l'information sur tout le territoire nigérien. Comment ça se fait Vous avez des correspondants et ils sont au nombre de combien oui, en effet, on travaille en collaboration avec euh, des journalistes dans les autres régions du Niger. ce sont nos correspondants, ils sont aussi environ 50. Euh, mais la nuance, ils ne travaillent pas tous, tous les 50 ensemble. Euh, il y en a qui sont réguliers, qui envoient tous les jours des éléments. Il y en a qui, rarement, occasionnellement. Et il y a d'autres aussi qui ont disparu de nos radars. Euh, ils sont là, mais ils n'envoient pas d'éléments. On ne sait pas pourquoi. Donc, mais ils font partie de la liste des correspondants qui, s'il se passe quelque chose dans leur localité, nous envoient des éléments tout à l'heure, vous nous avez cité les différents desks que nous avons. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement le fonctionnement de chaque desk Voilà, les desks, euh, tout commence d'abord euh, avec euh, la conférence de rédaction où tous on se retrouve pour échanger et identifier les questions qu'on va traiter dans l'actualité du jour. Donc euh, après, sur le terrain, chacun ramène euh, l'élément qu'il a trouvé, son interview. Et ces desks-là, leur rôle, c'est de traduire les sons qui ne sont pas en langue nationale. Si le son original que le journaliste nous rapporte est en français, euh, les desks se chargent de la traduction. chaque desk a un responsable et trois ou quatre éléments. Et si le son est le son original est en langue nationale, Zarma Hausa Tamashek ou Fulfulde. Un des responsables du desk de la langue se charge de le traduire en langue française. Donc, euh, en gros, c'est ça. Le desk des jeunes, c'est un desk un peu particulier. Euh, le, journal des jeunes euh, est diffusé seulement le week-end, samedi et dimanche. C'est un desk spécifique. eux font le journal version jeune en duo pour que l'information soit plus accessible aux jeunes. Donc, ils font tout ce qui concerne, tout ce qui touche aux jeunes euh, du Niger. dedans, ils font aussi un débat version longue qu'ils appellent FADA, tous à la FADA, et aussi euh, qui se fait en langue franco-hausa le samedi et franco-zarma euh, le dimanche. Le desk numérique, lui, est chargé d'écrire les articles qu'il publie sur le site de Studio Kalangu www.studiocalangu.org. Ils font aussi des interviews que ce soit le factuel euh, ou euh, sur euh, des sujets de société, et de reportages en vidéo. en vidéo, oui, qu'on diffuse sur les réseaux sociaux et aussi, voilà, en gros. Sur le site et sur YouTube. On a une chaîne YouTube, oui, c'est avec le lien de YouTube qu'il euh, balance les éléments sur les réseaux sociaux. Donc quand tu cliques sur les réseaux sociaux, on te dirige directement sur le, la chaîne euh, YouTube de Studio Kalangu. Il y a un desk forum, un desk important qui, se charge du forum de Studio Kalangu. Il y a plusieurs journalistes qui font les forums en langue nationale, en Hausa Zarma et en français. Euh, le desk femme, oui, qui a été initié en 2019 qui traite euh, uniquement des questions, des sujets qui touchent euh, spécifiquement euh, la femme nigérienne, fait, qui sensibilise, qui fait un peu la promotion des droits de la femme. Voilà, en gros. Merci beaucoup, Rayla, de nous édifier sur la rédaction du studio Kalangu. Rayla, comment se passe la, la diffusion Vous n'êtes pas une radio en tant que telle avec une fréquence. Comment vous faites la diffusion de vos contenus donc, euh, le studio Kalangu n'est pas une radio. Euh, quand Studio Kalangu est arrivé au Niger, c'est un peu pour euh, appuyer le média nigérien. c'est pour promouvoir en quelque sorte les radios communautaires et certaines radios privées et télévisions. Donc nous, on produit l'information qu'on leur euh, transmet via un dispositif euh, que, dont dispose euh, chaque radio. Donc nous, on produit à notre niveau et on relaie à travers ces radios pour diffusion. On a au total 52 radios partenaires et 7 télévisions partenaires, dont 6 à Niamey et 1 à Zender. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Je ne sais pas si c'est autre chose. Ramatou, vous êtes la chargée des ressources humaines du Studio Kalangu. Ramatou, dites-nous comment le Studio Kalangu est-il structuré et quels sont les genres d'employés qu'on y trouve eh, bonjour Fanta, merci de m'avoir donné la parole. Tout comme tu l'as dit, je suis la chargée des ressources humaines du studio Kalangu. Et je vous présente un peu l'organigramme du studio Kalangu. Donc, à Studio Kalangu, nous avons six départements il y a la rédaction, il y a la rédaction qui est composée des journalistes, des techniciens et le département de chargé de communication. Il y a aussi le département de technique et informatique. Il y a le département du coordonnateur des radios partenaires qui est chargé des relations entre Studio Kalangu et les radios partenaires. Il y a aussi le département suivi et qualité. Et nous avons aussi en dernière position le département de l'administration qui est composé de la logisticienne, des chauffeurs, des agents de nettoyage, le comptables, le gardiens et le département chargé des ressources humaines. Et quel genre d'employés est-ce que nous avons ici au studio Kalangu Au studio Kalangu, la majorité sont des journalistes. Il y a le côté support qui est l'administration, qui les aide à accomplir leurs tâches comme il le faut. Il y a du côté support aussi, tout comme je l'ai dit en, première position, il y a le chargeur de communication qui est là aussi. Et nous avons des techniciens informatiques donc nous aurons et, besoin, il y a combien d'employés au total au sein Au total, nous avons 82 employés. Merci Ramon. Je t'en Merci. Avant de continuer, chers auditeurs, nous allons souffler en musique avec ce morceau du collectif Son Niger, Webordengi dédié à toutes les femmes nigériennes et surtout aux femmes du studio Kalangu. music. Zenabou vous, gérez la logistique ici au studio Kalango. Quel est votre rôle et comment marchent les choses au studio Kalango Merci Fanta de m'avoir donné la parole. je suis effectivement la logisticienne et je, suis, je fais partie de l'équipe support comme l'avait annoncé ma collègue Ramatou, la chargée des ressources humaines. Donc euh, au niveau de la logistique, nous avons euh, cinq euh, parties essentielles et la partie la plus importante, c'est le côté chauffeur. Ça concerne la flotte automobile, donc c'est ce qui nous permet de faire les différents mouvements, les sorties, c'est-à-dire les reportages que les journalistes, les journalistes font à longueur de journée. Et donc les chauffeurs sont là pour assurer toutes les sorties et c'est programmé euh, au niveau de la rédaction. À chaque sortie, nous avons quatre chauffeurs et qui assure les différents mouvements sur le terrain. Donc euh, le deuxième point essentiel, c'est la gestion de commandes. Donc euh, je me charge de l'achat de tout le matériel qu'on utilise à Kalangu, à savoir le matériel technique IT, les fournitures de bureaux et tout ce qui s'ensuit. le deuxième point essentiel, il y a la sécurité c'est un service de médias, nous avons des invités qui viennent à longueur de journée, nous avons des fournisseurs. Et donc là, il y a des vigiles, nous avons quatre vigiles et un un cinquième vigile remplaçant qui est là, qui, assure la permanence en cas d'absence de, l'un des vigiles, titulaires. Donc, euh, ils sont là, il y a un vigile, un vigile par jour qui assure euh, la garde, la permanence du jour et il y a deux vigiles qui assurent la permanence de la nuit. Euh, et le quatrième point, c'est la gestion du bâtiment, l'entretien, l'hygiène. Et là, nous avons deux techniciens de surface qui assurent euh, l'hygiène du bâtiment. Chaque jour, ils s'en occupent et ils contrôlent aussi s'il y a le moindre problème, ils viennent signaler ce qui ne va pas. Et s'il y a un problème, et là, je fais appel à des fournisseurs avec lesquels nous avons des contrats. Et l'électricité, le côté plomberie, et tout ça, c'est pour essayer de mettre les différents employés dans des bonnes conditions de travail. Et en dehors mhm. des véhicules que nous disposons, mhm. j'ai remarqué que nous avons aussi des motos pour les reportages. Oui, les motos pour les reportages, mais là, euh, on n'utilise pas, on ne, met pas trop l'accent sur les motos, vu la situation de la circulation à Niamey, l'insécurité. Donc, euh, c'est, il nous arrive d'utiliser les motos, mais c'est en cas d'urgence. Et là, c'est très rare, vu qu'on a jusqu'à quatre chauffeurs qui assurent la sortie. Donc, euh, c'est vraiment en cas d'une urgence extrême qu'on utilise les motos est-ce que parfois vous rencontrez des difficultés pour les sorties et les commandes Oui, souvent nous rencontrons des difficultés, mais on a, on a aussi euh, des taximans auxquels on fait appel. En cas d'absence de tous les chauffeurs, là, on a un taximan à qui on fait appel pour venir faire sortir les équipes. Surtout quand il s'agit de trois ou quatre personnes, là, on ne peut pas utiliser une moto. Oui. Merci beaucoup, Zainab. Donc nous avons avec nous sur ce plateau Rukayatou Abdraman qui vous êtes journaliste au sein du studio Kalangu. Racontez-nous comment sont réalisés les reportages ici et quelles sont les difficultés que vous rencontrez. Bonsoir Fanta, merci de m'avoir donné la parole. Bonsoir à nos auditeurs et auditrices du studio Kalangu. D'abord, ma journée ici au studio Kalangu commence par une conférence de rédaction c'est l'endroit Comme tout où, journaliste. Voilà. <laughs> c'est l'endroit où tous les journalistes se réunissent. C'est là-bas, c'est l'endroit où des sujets sur, euh, de reportage sont proposés. C'est aussi là-bas que les sujets sont débattus, taillés pour déterminer des angles de traitement. Et notre rédacteur en chef a l'habitude de dire que c'est l'endroit le plus démocratique. Voilà. Donc quand on me confie un sujet, ma première réflexe que je fais en premier, c'est faire des recherches sur le sujet. Si je n'ai pas d'informations complémentaires, c'est faire des, recherches pour euh, me mettre au bain, pour avoir des informations sur le sujet. Après cela, je consulte euh, mon carnet d'adresse, euh, voir si j'ai un contact à appeler pour répondre à mes éventuelles questions c'est aussi avec l'aide de mes collègues. Je demande un peu partout, vous avez le contact de d'un tel, d'un tel. Si c'est un sujet santé, par exemple, euh, je cherche euh, le spécialiste à, à, interviewer. Et aussi, nous avons un répertoire électronique euh, où sont répertoriées les personnes ressources à, à interroger. Donc, je fais, c'est un travail que je fais en amont avant euh, d'aller sur le terrain. Sur le terrain, c'est quoi C'est chercher la personne et puis faire des interviews. Une fois de retour, c'est là que le travail se fait, le plus gros du travail. Une fois de retour, euh, c'est traiter le sujet, essayer de monter le son, parce que ici au studio Kalangu, nous sommes, les reporters sont en même temps monteurs. Mhm. Donc on monte les éléments et nous faisons le papier, les lancements et on donne à l'appréciation de nos supérieurs hiérarchiques. Comme difficulté, comme tout travail, ça manque pas de difficultés sur le terrain. Voilà. On peut, euh, comme on dit, c'est le terrain qui commande. Tu peux aller sur le terrain avec déjà des idées préconçues. Tu fais genre le schéma de ton reportage, mais c'est le terrain qui commande. Il peut y avoir euh, des moments où tu n'as pas le répondant qu'il faut celui qu'il faut. Donc, c'est à toi de t'adapter et chercher un plan B. Mhm. Et on n'a toujours pas, c'est pas toujours qu'on a ce plan B là. Tu peux rentrer bredouille, <laughs> mais c'est pas conseillé pour un journaliste. Il mhm. faut essayer d'avoir ce plan B là. Et comme autre difficulté, tu peux prendre un rendez-vous avec quelqu'un pour une interview il décale le rendez-vous, il ne t'informe pas, tu pars sur le terrain, tu trouves rien du tout, tu, l'annules à la dernière minute. Voilà, ou l'annuler à la dernière minute. Donc c'est ça. Merci Ruki de nous avoir raconté votre journée au sein de Studio Kalangu. Euh, nous avons aussi sur ce plateau Madame Rafika Ataer. Bonjour Rafika, qui vient de nous rejoindre et aussi Madame Hawa Ousmane. Bonjour Hawa. Donc nous avons aussi Madame Amina Hassan, c'est la seule et l'unique technicienne du studio Kalangu, technicienne femme bien sûr. Alors dites-nous Amina, en quoi consiste le boulot de technicienne Arangoyo, maintenant Gouda. so mahadallah irgo girfanda goydir sabe to nandi e eh, studio kalangu hangan koy kul kayango ga hanganirse irgo girfanda goydir sabe to nandi do to irwana goyo de kanga ti technicien awan goyo de ti zabor biga kasu subara haikan nihim ni jinani jinno ga mashinai konsolai hay kulu nigi himno nimi verifiye jina gun gidi hala isin da sande zanga hal problem kul si ga jina gati dinga nimi netwaye zamir gwanda borkul gwandin ga wana eh, torsion yakin kan buragin ga jinai netwaye da irin jinai netwaye gina irin jinai kul dangai nan gora soyerim ka gordir ka gordi technicien ngay ning e eh, ngada no journaliste di ngay wana conférence de presse o te di ngay hay kul so la rédaction conférence de rédaction o di ngay harté di ban di ka gi ngay hay so la mi ngay voix te ngay sanne ki ngay mte labarera di bi lok cho din chinir woyir go solan te zama irin no kan ta technicien irin no hemwa to kulirum so gi batu man tingay no kagir batu irno watukuli go solen termu gorgi botu donc euh, di ban di ka watukuli himga technicien wo gara gunga nangorang goranga chez orago goro ama am sobe ga bore o oh, studiara am sobe ga regiora am sobe ga technicien eh, journaliste a enregistré son kulki ka irmi jinday sambu zangi voye ki gote ngai labare ki bingai mtira irmi kul sambu ya nirgte di ban a ga yin gato han foyan 14 yan har hali kwai ban wala sa dai pan dai mara kan wat lokaci ki gaba mm. di ban lokaci din cinir mu gwargi batu ka dinin gai hay kul hansa gaban gina gatirin gayi ma hayay sambir sey min gay labaray kan ya i morgu morgu ga hansa hansa ga zibay da hayay kulkara gati din gay mi sambir sey to irmo lok chodin chinno ir goyo ga bag sintin bumbo boda zam man ta sintin bo so chodin chin cinno ir goyo bag sintin na go sintin shiga fagin aha so ndir no wadi din wadi yan sambir sey din gatin gar mum ka goro irma i wana hayay kulkite ingay wana jinde kulkida eh, journal gwa kan gorsi labar gwa kan gorsi irgon da france kenan da hausannin da zarmasannin da france da balle cina to ikul ka daidir dir da fulan cina ka dai dir gori ikulu irmi kulla sabu gi kul dangai nan gora ya ce dinga irin irmi kul so gaban irin ka gorson kai ga technicien technicien kai ga furgu journal ite kai ga labarai e presenter irin ka gi batu son dinin gai o journaliste kai ga labarai e no kul kan furo irin bora registre wato irste ste direct amma son direct nirgiti yani ga ikulir gu gorni ni go gorno technicien o za guru gu 17h kala ikul ban 18h gati ni gano son foro mo mu furo to wadi yam modirni kul tege ban kal de ir mege ka gor journal guadin kul kan ir sambu ka ir na journaliste enregistré dadi kal dirni kul hansi ga hay kul kan ga himada kam manti ara ir ma kajina gati dinga ir mi kul dangai wani wani irmi samba bene bora ise ngay mu ngay mu hayo fono kayango studio kalong ngay mu wodin no iga so ndir ndi sambi se ngay no ga bay matki ngay gite ngay mu ga samba si to bon kan ganan boray kayan sigudu ga hangani ngay mu kulmu du ga hangan lokcho kancini ina sambi se wodi ni ir gonda hayo fo kan signe via mu kayirda ertel no kamba dan charra inga mu hal son kada dir yegu gorir mu yegi pat koyne Zama haifo yan goni kayir mai him gadan ikul charban da kadirni pat pat zam ikul gondin gai nan gai no kayir gida dirni kul pat pat pat pat gina gi hanse viya mon gino gati ir lamba kan bombor gi hin gice purke amdu studio gula bare oh. do le 3 2 5 aha to yin za yin ka igu 3 2 5 wala to kadai dirni kul ikul gondin gai lok nan gai kan irga haye pat pat irgu journal hanse irmi pat pat irmi dan irmi samba ertel boraise to dirni samba ertel boraise so irmi yega ka ga haye kulkan irti zanga goyo zarora goyo kulkan journaliste te yi hansa din ka i hansa gasan birse kayir moyir do haro kayan irgi yim ya yase kalir mi yegi kulu dal nangu fogo na kan irgi dangalan bandi kan ganan jir marju kulkan no journaliste tunin gaisan na ki ba di dika technician wa hada ima ka tare zanga son zai studio kalangu feri gika hunkuna soyir go jiru gwara gika hunkuna hay kul eleman kul karan ha irgi karan se tare irgi karan se tare irgi hayono archive mm, irgi archive no ikul ngai nan ngorano igo son dirbon wadini katin ga so irim kaga hangan forum kan ir kan cindidin kan journalist ay bangidir ganan girsedi kalir mu gor kalinga wa akul mu bangina bor bor fonda bora kan go diffusion ni sindi fonda kan gadira ka dai da haya din goyo kul banni bai kan 19 to haya kai kak zanga ele mangai kul kan ni da ikai kakiban lokacin din cinno ni gina wana haya dabu ni min machine dabu nim nango kul vérifier gun gidi hala nango fo gon kan ni him dabu kan ni man dabu kan ni mi kul dabu jina gati dinga ni min fonda sambu un boulot très sensible ka gote da to amina aran bor margeno technicien kalongu Eh, irbor idduno arambor sisra ninni tuwai bor ça te fait quoi d'être la seule femme parmi fanta ay sibay mat kay gisan no ci dani se ni bay zangson imine e eh, yalira. Mm. kur e eh, zangi imine kur nyando wanda yakin yalira kan goga igay goga. ifani ne bindi goga izike cika imonji guduwa mm. di da ko cadin kamata na ga hima da famiyo dirra to yadin na go technicien ay gamara wallahi fanta ya nay go i gamara isbay nan kulkin gay gayda kalirum so bay ga cer girum so bay ga haru harum so bay ga cer hayo hayo cerra tande kulisi wallahi sande kunno mun bai ga furir dai gamara kal ai ci ni samat kai ci ni so wallahi isbay nan kulkin gay gayda ah, din wono oh hay kul ifo ni zanga dai igo dino kan inga mai ga ai goyora ai mu avance kwai jine inga no igo chabaise ya di mono zama haikul kai ni ha kan ai sifam da dai ni ha sa din da no iga chase afu yan gon ka ai si ba gi hanga ino chase ne se wani madam ni him ni mu wani bai wo irdi kan zanga dai ni si koya ado hare me ni him ngam boda ni mi bay ni ma bai matkan na goda ima chabais mm. ay sin de sandai kula sin problème kul dai kala ah, ya ça c'est bien c'est c'est une grande avancée comme je le disais pour le droit de la femme donc, je le disais tantôt, nous sommes avec Madame Hawa Ousmane, notre tante <laughs> qui est la responsable du desk femme. Tante Hawa, yani a aikin aikin responsable desk femme yake ici. Mine ne ma desk femme Rahila, tu Rahila ta hot muna amma bai ishe mu ba a amuna. Ok, Fanta, merci beaucoup de m'avoir invité sur ce plateau de cette fada spéciale Femme Kalangu. Le desk femme, Rahila vous a un peu édifié là-dessus. She wannan hili da aka hidda aka ce mishi desk fam kaman ma'ana hili ne wanda a cikin shi muke tattaunawa kan batutuwa da suka shahidiya mata duk abin da ya shahidiya mace kaman harkar siyasa ce tattalin arziki ne zamantakewa ne kula da gida kula da iyali wata matsala ce da mata suke da a bangaren kiwon lahiya ne ga baki daya muke magana da shi a cikin wannan shirin muharin da ake ce mishi kenan desk fam. Et puis le travail de Desk Femme ici à Kalongo, c'est chaque mardi. Chaque mardi, le programme, c'est essentiellement le programme Femmes qu'on diffuse. Dedans, nous avons Espace Femmes de 45 minutes. Nous avons Femmes et Bien-être, le magazine de 2 minutes 30. Et aussi des sons. Si on a des sons qui concernent euh, des femmes, on les diffuse ce mardi-là. Donc, du coup, la journée du mardi est spécialement consacrée pour les femmes. Et nous, en tant que journalistes. muna yin forum ne muke ce ma hilin mata na studio kalangu da sahi an muka zo mhm. a cikin wannan hilin na mata akwai hirar da muke yi tare da mata bisa maudu'i na musamman a cikin shi kuma muna ɗauko tarihin mace kamar yanzu idan misali muka tattauna kan batun kiwon lahiya eh mukan ɗauko kamar a ce misali mata da zuwa asibiti da sauransu irin matsalolin da suke samu to a nan gurin kin san akan samu mata wanda suka yi fice wajen harkar tarban 'yan malati ne wajen harkar wani tarban mata ne to nan gurin sai mu ɗauko portrekin nan da kika haɗe sai mu ɗauko mace guda ta zamanto ita ce misali a nan gurin sai mu bita ta dalla-dalla da ke ta yadda aikinta mu portrekin ta ga baki ɗaya kenan shi wannan maudu'in da muka ɗauka na ran nan portrekin wannan shi ke ta da shi baya da shi akwai abin da muke ce ma lotti a firashi to a nan gurin a nan gurin malama fanta tsegumin wannan mai unhwani ne wannan mai unhwani ne mai albarka ne kwarai ko a nan gurin shikin ne tunda mukan wayar da kai a turanci mukan ce mishi a affairage rubik a firaj ki sensibilise and nimur a cikin far'a cikin jin daɗi da annashuwa ake wayar ma mata kai misali in na ɗauki shekaran jiya mun yi bisa na mai. wannan rana sha uku ga watan mayu da aka hidda ma matan kasar nijar fanta in nace miki har yanzu akwai matan da ba san wannan ranar ba kakki mini gaddama to bari mu saurare shi ma wannan lottin da tanti ke zance a kai Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ah, Memo, tu vas bien? Mais toi, tu me surprends toujours. Ah bon? Mais pourquoi? Regarde dans ton état, tu continues tes tâches ménagères et le boulot. Il prend même plaisir, on dirait. Hmm. Mais c'est normal. Et c'est devenu une habitude pour moi. Tout est une question d'organisation. Hein, hein, parle pour toi. Moi, je ne peux pas être au boulot de 8h à 18h et rentrer le soir pour faire le ménage et la cuisine. À plus forte raison, quand je serai enceinte. Viens avec moi, on va parler. Tu sais, quand je quitte le boulot, je prends d'abord mon bain. Après, je mets de l'ordre dans la chambre, le salon et la cour. Et je rentre en cuisine pour faire la vaisselle et préparer le dîner. Tu es enceinte et tu arrives à faire tout cela Moi, je ne pense pas pouvoir le faire. Avec la grossesse, il n'est pas conseillé de rester sans rien faire. C'est aussi bien pour garder la forme. Tu sais, mon mari m'aide aussi comme il peut. Hum, moi, je ne peux pas faire comme toi. Sinon, qu'est-ce qui me différencie d'une femme au foyer Mais même, une fois à la maison, tu deviens une femme au foyer comme toutes les femmes mariées. Hum, tu sais, Nadia, j'ai déjà une aide ménagère qui fait tout ça pour moi. Quand je rentre du travail, je me douche et je regarde mes telenovelas. Quoi Tu ne sais pas que c'est un plaisir pour tout mari de manger les petits plats cuisinés par son épouse Et si ton mari épouse ta bonne Ah, pou, pou, pou, tout sauf mon mari. Mais Tinga, continue à jouer la fonctionnaire. Bon, je ferai des efforts comme toi. Il ne faut pas que je perde mon mari. Inch'Allah, dès demain, j'ai m'y mets. Je ne savais pas qu'on pouvait concilier les tâches de la maison et celles du bureau. Bien sûr qu'on le peut. Et c'est juste et tu verras que c'est possible. <laughs> tu penses à quoi encore Je crois que je vais renvoyer mon aide ménagère. Je n'ai plus besoin. <laughs> non, même pas. C'est juste que tu ne vas pas la laisser tout faire à ta place. Elle te sera utile au moins pour la laisser vers les petites courses. Là, tu as raison. Merci beaucoup, mon ami, pour les conseils. foyer farm functionnaire ko kuma mata waɗanda ke zuwa wurin aiki wanda idan suka dawo gida su ce sun gashi ba za su tsaya su kula da gidajensu ba ya kuke ganin wannan lamarin haba fanta shin mace kina da kina cikin ɗakin armi wata gajiya ke gare ki mi ma yi muhimmanci bisa ga abincin da zikici mai gidan ke ci iyalin kisti ai mace bata da gajiya gajiya mace guda ce cikin gida in baki da lahiya shi kaɗai ne wannan ya to lalle a nan gurin baki iya yi za a kama miki amma ke kan kanki kina kishi yau ki dafa abinci mijin ke ci ke fanta mijin ke zo ma gida kun ka daga aiki ne ko gari ne ta zo ki hudda mai abinci yadda kika saba sa mishi ga taba ya bari fanta kina da tashin hankali sai kin tambaya shi ina ne ka ci abinci ga abinci nan a gida an yi rafika kin ji yanda ta ta ce haba mace kin zo aiki mace tana da izinin ta ce ta gashi cikin gidanta yanda mijin na ya huta ya tafi aiki ita ma haka nan ta huta ta yi aiki kenan in ta zo ka a zama ta sharshi ban ce ba ka ta yi aiki cikin gidanta madan hawa me yasa na ce kin mata izin ce ta gaji oh. abincin da za a ci a gidanki ta yaya ne zaki ce yau kin ga bakke ki dora shi hirar da suke yi hacce mata take wai yanzu kin yarda me aiki da dora mijinki abinci da zai ci ni ban yarda wannan ba ke ruka yaya kike ganin wannan zance bon moi je pense que mu mata muna yi exagération kwarai ah, ko kina aiki ba dai ni gogoi ni gogoi no fonctionnaire no ni gogoi ni ka fuye ni farga wala certes on dit la femme c'est une princesse on doit prendre soin d'elle ni farga goiz gono agen goye kutensi mais t'accuser là c'est ta responsabilité ce que ton mari mange son ventre, c'est toi qui dois t'occuper de ça. Là, je suis d'accord. Ce que ton mari mange, c'est toi qui veux t'occuper de ça. Mais les autres corvées, là, si la femme a besoin d'aide, moi, je suis totalement pour. Il faut pas qu'on dise que toi, la femme, tu viens du boulot, tu descends, tu passes toute une journée difficile, fatigante, compliquée. Tu viens à la maison et qu'on te mette toutes ces corvées-là là-dessus. Moi, je ne suis pas d'accord. La cuisine, bien sûr. bien sûr. Personnellement, je fais ma cuisine chez moi. Je n'ai même pas de ah. bonne pour préparer. Mais les autres corvées, quand même, l'aide est bienvenue. Oui, bien sûr. C'est ce que j'ai dit. Tu peux, tu peux de Mais bien sûr. Oui,

tana cewa idan kika bari mai aiki tana daukan duka ɗawainiyar gidanki tana wa shi ya karkata izuwa gare ta kiya kike gana ce miki ni ba da ma aiki gidana ta cuisine vraiment ta marmite personne ne doit toucher à ta marmite ta chambre, personne ne doit toucher à ta chambre. Mais quelque chose comme lessive, vaisselle, le ménage, bien sûr, tu peux laisser la bande le faire. Mhm. Voilà on peut être fatigué on n'est pas obligé de manger toujours à la maison on peut acheter voilà on peut acheter on peut sortir aller au restaurant mais oui Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup. Avant, peut-être nos mères ne pouvaient pas se le permettre parce que c'était des familles nombreuses. Mhm. On était nombreux dans les faits. Mais aujourd'hui, tu prends une famille, ce sont les, les deux parents, un, deux ou trois enfants vous pouvez quand même acheter, même si c'est votre doukounou ou votre euh, kafa dehors, et puis venir manger. On est, le temps, oui, temps pas tout le temps, pas tout le temps, pas toujours. a sai a dafa ta shinkafa da ruwa sai kwaza baina ayi azamai da yaji a ci sai kwaza baina ita ce nake gaya miki sata kwari a gajiya ne ta kai gajiya ana iya dafa sata kware a ci ana yanzu ke sai ki ba mishin don kin ga sai ki ba mishin sata kware ya ci sai ya ci mana a cikin gida ke ga rogo ma sai ki gyara ki ba ya ba da kayan miyan shi sai ki mishi sata kware ya ci gajiya ce akai kuma kowa ya sani ke nake yarda da mace ya kamata a ce ta gaji daman na ce miki mace tana eh. gajiya kuma yanzu kuka ce wai a huta a sai a waje maimako a sai a wajen wannan wallahi sai a yi to dan me illar sai a waje a gaskiya fanta ni ban goyi bayan abincin waje ba me yasa nace miki haka nan yau cututtuka ga sunan ana cewa wani kaka ci aran maji kaka ci wane ne kai sai abincin waje baka san cikin halin da aka gyara shi ba baka san da me da me aka hada kai dai ka sai ka ji ka dana ka ji dadi ka ci takan yi ka ci aran majin wannan wanda aka hana ka ci shi yasa ni ban goyi bayan sa ai ba kullum bane kana yawa cikin wata sor guda eh. donc euh, la femme doit cuisiner les 365 jours ah non Ah, ah a nan fuzo si haba hawa in an ce a sai eh, eh, a fanta pardon in aka ce a sai abinci waje ai ba kullum ba kuke kai waje kuna sayan abinci potato sor guda cikin wata ko sor guda cikin wata biyu ku tai ku sai abincin waje ku ci kin san shi ne wannan ma sa ba shi la routine ko mi ba renforcer les liens bale in kuma kuka wutar ku ku kuka tai waje kuka zama ku ci abinci a ba renforcer les <coughs> liens amma kullun kuna ah, cikin gidan dunkule nan gurin cikin gidan dunkule la même chose nan gurin ban ban ban kita ki ba le journée nationale de la femme ban kita ki ba amma a zo a ce wai saboda gajiya ne za a kasa dafa abinci an su a waje a nan gurin ban ba amma in dan ra'ayin kanku ne yau mun yi niyya mu ta mu je ko kai mu wani dan uwa ziyara cin a haɗu a yi masha da sauransu ban kiya ba in tu vas faire en sorte que tu aies un zo in tu vas faire. shi mun gode Allah sanya masa albarka Il y il y a tellement de choses à a tellement ta choses à dire. Ah bah, oh. Aujourd'hui, 13 mai, c'est la journée nationale de la femme nigérienne. À quoi pensez-vous quand vous célébrez cette journée Rukaya, à quoi tu penses toi en célébrant cette euh, Moi, ma première pensée quand on dit 13 mai, se dirige vers la femme rurale. Cette femme-là qui ne sait même pas ce qu'est le 13 mai, cette femme qui, ne connaît même pas ses droits, cette femme qui, est, qui fait sa corvée du matin au soir. Je pense à toutes les femmes aussi qui souffrent dans leur propre chair, qui souffrent de maladies, qui sont discriminées. La femme qui souffre de fistule obstétricale. Je pense à toutes ces femmes-là. Voilà. Et vous, Rafika, à qui vous pensez Moi, à ce, que, ce à quoi je pense quand on me parle de, cette journée qui célèbre la femme nigérienne, c'est d'abord comment c'est prévaloir les droits de la femme, toutes les femmes nigériennes, rurales, la femme rurale et la femme de la ville. Comment prévaloir ces droits Comment booster ces femmes-là en avant C'est les deux premières choses qui me viennent à l'esprit. Mhm. Et vous, Madame Hawa, à euh, quoi pensez-vous quand vous célébrez cette journée Et Fanta, en pensant à cette journée, vraiment, je pense à beaucoup de choses. Aujourd'hui, les femmes qui sont dans les zones d'insécurité, c'est ça ma première pensée, Fanta. Comment est-ce que ces femmes-là vivent présentement Comment est-ce qu'elles arrivent à gérer Parce qu'il y a des femmes dont les maris ont été tués. Il y a des femmes dont les maris ont quitté, les ont abandonnées avec les enfants. Comment est-ce qu'elles gèrent leur quotidien C'est ça ma pensée, Fanta. Je pense beaucoup à ces femmes-là. C'est depuis 1992 qu'on célèbre la journée de la femme nigérienne. Où est-ce qu'on en est Où sont les femmes Rafika, toi, ton avis, est-ce que les droits des femmes sont garantis ici au Niger ou bien il reste encore du travail Selon moi, il reste encore beaucoup à faire. Regardez même le quota. Normalement, c'est 25% pour les femmes. Et il y a des instituts il n'arrive même pas à respecter ces 25%. En fait, où la présence même de la femme, elle est, elle néant. Donc, comment est-ce que vous pensez que on peut parler encore de droit de la femme toi, à ton avis, Comment on peut arriver à arracher ces droits-là ou les défendre Écoutez, depuis que cette journée du 13 mai a été instituée, c'est en 1992, mhm. et par décret, après la marche des femmes, lorsqu'elles réclamaient, elles leur représentativité au, sein de la conférence euh, nationale, nationale souveraine. Je parle sous le contrôle de mes, de mes aînés. Depuis ce temps-là, les femmes sont en train de lutter, elles luttent, elles luttent. la loi, de, la loi sur le quota a été votée, mais quand même, ça reste beaucoup de choses à faire. Ça reste beaucoup. Et en tant que femmes, nous devons vraiment, euh, comment est-ce qu'on appelle ça Nous devons être solidaires. C'est parce que c'est ensemble qu'on peut faire bouger les choses, c'est ensemble qu'on peut avoir des avancées qui nous arrangent, vraiment et on doit, on doit, en fait, pour faire prévaloir, comme je l'ai dit, ce droit-là, nous les femmes, nous devons nous faire entendre. Nous devons nous former. Nous devons nous former en leadership. Si on ne parle pas de ce qu'on veut réellement, de nos attentes, si on se met dans notre coin à espérer que l'État fasse quelque chose, il n'y aura jamais d'évolution. Il faut qu'on se fasse entendre. Il faut, si possible, taper euh, le point sur la table ou bien comment on dit les choses pour que l'État puisse investir plus de femmes, pour que les femmes puissent s'investir peut-être dans des décisions. Parce qu'il y a des décisions qui concernent surtout les femmes. Et il faudra l'avis d'une femme pour que ça puisse vraiment tenir, pour que ça puisse avoir vraiment de la racine. Mais si ce n'est pas une femme qui décide, je crains fort que même demain, depuis 92, qu'il y ait une évolution concernant le droit de la femme nigérienne. Rafika da Chers auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, nous sommes au terme de notre émission spéciale Femmes du Studio Kalangu. J'espère qu'elle vous a édifié sur le travail du Studio Kalangu. Donc, euh, plus de confusion, ce n'est ni un studio d'enregistrement de musique ni un média privé, mais c'est un projet, celui de la Fondation Hirondelle ici au Niger. Il s'occupe de l'élaboration des contenus audiovisuels qu'il met à la disposition des 52 radios et 7 télévisions partenaires pour diffusion. Nous avons reçu dans cette émission Madame Karine Diskevitz, la représentante nationale de la Fondation Hirondelle au Niger, Madame Ramatou Suleiman Moussa, chargée des ressources humaines, Madame Zainab Oussadou Ibrahim de la logistique, Laila Toussoumana, rédactrice en chef adjointe, Ruketo Abdurrahman, journaliste, reporter et présentatrice du journal, Madame Amina Hassan, technicienne au studio Kalangu, Madame Hawa Ousmane, la responsable du desk femme et Madame Rafika Taher, journalistes, reporter, et du journal. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne fête à toutes les femmes du Niger.